Hello chers amis, nous sommes dimanche 24 décembre 2023 et vous êtes dans l'actu des jeunes, l'émission 100% jeunes que vous propose le studio Kalangu chaque week-end. Au micro, c'est Samira Wafi et Mariamade. Alors, comment tu vas, Mariam Ça va bien et toi Ça va super. Alors, Mariam, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir Semi, ce soir, on passe d'abord à Turozenine où la jeunesse a organisé un débat à l'occasion du 28e anniversaire de la mort de Mano Dayaka. De la partie portrait de ce dimanche, nous allons à Douchi à la découverte du jeune Yakuba Moussa qui a pour activité les Ari. Et c'est avec du sport qui prendra fin ce journal. La jeunesse de Turozérine, en collaboration avec les autorités communales, a organisé une conférence débat le dimanche à 17 décembre 2023 sur le thème 28e anniversaire de la mort de Mano Dayak. Mano Dayak a fait partie des leaders du Niger, un homme qui a amené un développement dans la région d'Agadez à son époque. Écoutons les précisions du conférencier Moumoun Hindatou, président communal des jeunes de Tirozérine. Il est au micro d'Ahmed Fela. L'objectif de cette conférence, euh, c'est de rendre hommage à Mano Dayak, un homme qui a été utilisé pour sa communauté, mais aussi qui a été très utile pour le Niger. C'est un homme de paix parce qu'il est décédé sur la voie de la recherche de la paix. Nous voulons aussi rappeler la contribution que Daek a apportée euh, ici. Celui qui était à la base euh, des écoles qui se trouvent un peu dans la brousse euh, qu'on appelle écoles communautaires, qui sont aujourd'hui prises en charge par l'État. Je voudrais profiter de cette conférence pour lancer un appel à l'endroit de la jeunesse et de leur demander de s'aimer et de s'entraider en évitant l'ethnocentrisme. Le Niger, c'est pour nous tous. Je demande encore à cette jeunesse de s'instruire parce que c'est quand les hommes sont instruits que tout va se réaliser facilement. Dans le but de rehausser l'inscription des élèves et étudiants dans les bibliothèques, la Direction régionale de la culture, en partenariat avec l'association Culture Plus de Dosso, soutient l'association Club des Amis du Livre dans son objectif à faire aimer la lecture à ces derniers. Écoutons le directeur de la MJC Gerbaloga de Dosso, Jafar Sanoussi, le micro de Nana Hadiza Hassan. On avait un programme pareil depuis l'année passée, mais le problème, on était à la recherche des acteurs, malheureusement, on n'a pas eu. Voilà aujourd'hui que le club est mis en place. Les activités de ce club-là sont déjà lancées. Sa première mission, c'est de sensibiliser d'abord, parce que vous le savez très bien, les élèves de maintenant, là, ils n'aiment pas lire. Ils ne fréquentent plus la bibliothèque. Il a un grand défi à relever. Hop, ce c'est un rapprochement entre étudiants et les livres, entre l'étudiant et la bibliothèque. Le club est la premier partenaire, la direction régionale de la culture. Parce qu'on a un programme pour la bibliothèque, et un programme pour le musée régional. nous avons aussi un programme pour la maison de la culture Garbaloga. Partout dans chaque département, presque, dans les anciens départements, il y a des bibliothèques. Et les bibliothèques, là, je sais qu'elles sont mal exploitées. Elles sont peu fréquentées par ces élèves. Pour le fonctionnement de ce club, nous, vraiment, on a jugé utile, on a pris des engagements au niveau de la direction régionale de la culture. L'Union des étudiants de l'université d'Indico d'Ankolodo de Maradi a organisé les 16 et 17 décembre 2023 les journées d'accueil des nouveaux bacheliers. Il s'agit en réalité d'une cérémonie traditionnelle à l'UAM, d'accueillir les nouveaux venus. Le reportage de Mohamed Maman. Un amphithéâtre Mahaman Saadou comble pour dire bonne arrivée aux nouveaux étudiants qui vont se faire appeler désormais camarades. Pour le secrétaire général adjoint de l'UNUM, c'était un devoir pour eux d'organiser cette activité. Ibrahim Moussa Rabiou. Grâce à notre avènement, nous avons en tout cas décidé de créer les conditions d'accueillir ces nouveaux bacheliers. L'objectif principal, c'est de permettre leur insertion au sein de l'université, leur insertion socio-culturelle, également académique, et aussi de comprendre un peu la situation socio-culturelle et également et syndicale au sein de l'université. En quelque sorte, c'est pour permettre à ces de de se retrouver en famille au sein de l'université et qu'ils puissent retrouver leur place et qu'ils se mettent au travail. C'est avec une émotion à peine contenue qu'Inayato Gibril Oumarou en première année d'agronomie exprime sa joie et témoigne que c'est un rêve qu'elle vient de vivre. Vraiment, c'est très merveilleux puisque on nous a présenté beaucoup de sketchs. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Il y a plein de choses surprenantes, quoi. Mais bon, je me sens heureuse et puis comblée puisque c'est notre journée, quoi. On nous a accueillis bien. Il y a les sketchs que les, camarades ont présentés. C'est très enrichissant ces nouveaux étudiants ont déjà commencé les cours dans les différentes facultés, même si pour l'heure, l'attribution des doctorats n'a pas été effectuée. Place à notre portrait du jour. Yakuba Moussa, jeune de 27 ans, ancien élève et un jeune à Avec cette activité qu'il a héritée, il arrive à subvenir à ses besoins. Il est au micro d'Ablaziz Dayuma. Eh, Le métier de griot communément appelé zali est une activité qui nous permet de gagner notre vie. Il permet aussi de rendre hommage à nos grands chefs forgerons. Pour être griot, il faut appartenir à une lignée. Si par exemple ta femme donne naissance à un garçon, celui-ci devient griot. Il peut l'être ou pas. Le griot est pour beaucoup d'entre nous comme un métier. On l'exerce malgré nous. Pourquoi avez-vous choisi d'être griot Si par exemple je rentre dans un village avant de trouver un hébergement, je le joue. Bien que j'ai hérité ça, j'emploie le bon Dieu pour qu'il me donne un autre travail plus décent. Y a-t-il des profits que vous tirez de ce métier que vous avez hérité Le métier de griot, malgré tout, est important pour la société. Grâce à ça, j'ai aidé beaucoup de personnes. Mon père me l'a appris. Lui aussi, il a hérité ça de ses parents. Mais avec l'âge, il a laissé. Et moi, j'ai pris la relève définitivement. Actuellement, il est à la Quels sont les défis auxquels vous faites face dans ce métier C'est vraiment un un grand défi, c'est compliqué. Comme disait un adage, la main qui reçoit est toujours en bas. Être griot n'est pas chose facile de nos jours, surtout pour nous les jeunes. Je pense qu'il est mieux de voir un griot plus âgé. Ça ne surprend pas les gens. Mais un jeune de mon âge griot, c'est mal vu dans la société. Tout de suite, la page du sport deuxième jour des combats de la 44e édition du Sabre national de lutte traditionnelle qui a lieu cette année à Agadez. Deux rencontres au programme cet après-midi, Agadez Maradi et Niamey Tawa. En football, la Super League du Niger se poursuit. Aujourd'hui, la s Douane de Niamey accueille Jeunesse Sportive de Tawa et le Sahel Sporting Club joue contre le Jangos FC de Maradi. Ce sont les derniers matchs de la septième journée de cette Super League du Niger. La nouvelle Super League masculine débarque dans les stades européens avec un système de 64 clubs répartis en trois niveaux elle est construite en accord avec la pyramide du football. Les deux premières ligues, la Star League et la Gold League, sont composées de 16 clubs chacune, tandis que la troisième, la Blue League, comprend 32 clubs. C'est ainsi que prend fin l'actu des jeunes de ce dimanche 24 décembre 2023. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez aussi réécouter sur le 3 de 5 avec Hortel.